STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Contestablement, la CDAO est, obligée, elle n'a pas de choix pour lever les sanctions contre le peuple malien. Ils ont exigé un président civil, euh, un premier ministre civil. Cette fois-ci, il y a eu un présent, euh, on dira civil ou civilo-militaire, puisque ça ne fait pas longtemps qu'il est à la retraite. Il semblerait que c'est un colonel-major qui, qui, est déjà parti à la retraite. À mon avis, c'est un compromis entre un ancien monde et un nouveau. Donc, euh, véritablement, au regard des objectifs que la gente poursuit, euh, à mon humble avis, il répond aux attentes euh, conformément aux objectifs, puisque de quoi il s'agit. La CDAO est en train de faire euh, tout ce qu'elle est en train de faire comme imposition des sanctions et autres, sans tenir compte des vrais objectifs que le peuple malien poursuit. Au Mali, il y a un véritable problème de société. le détournement des deniers publics, l'école est à terre, la sécurité, bref, des défis que la gente doit impérativement relever. Et pour les relever, il faut trouver un homme qui a la notion de l'État, qui a la hauteur d'esprit et, à mon avis, je suis d'accord, qui véritablement a séjourné sur les drapeaux. Puisque en Afrique, véritablement, l'histoire a démontré que tous ceux qui ont été sous le drapeau n'ont pas la même conscience citoyenne que nous autres citoyens lambda qui n'avons jamais été, eu la chance de le faire. C'est une vérité, il faut la dire. Euh, à mon avis, le contexte actuel dans lequel se trouve le Mali, il faut un type, il faut une personnalité comme ce Badao-là, qui va pouvoir instaurer un système qui va lutter contre la corruption qui va pouvoir instaurer un système qui doit assainir la vie politique. Parce que pour la CDAO et pour les policiers maliens, l'important pour eux, c'est de donner le pouvoir. Non, moi j'ai toujours dit que le plus important quand il y a interruption du processus démocratique, c'est la suite ou l'assainissement que le système pourra faire pour l'avenir qui est le plus important, par l'acte en tant que tel. Aujourd'hui, il semblerait qu'il est moins sale, puisqu'il n'y a pas d'homme propre dans tous les cas dans ce genre de choses, mais avec la situation qu'il occupe, il peut amorcer l'assainissement tant voulu par le peuple malien. Parce que ça ne sert à rien de faire une interruption du processus démocratique, faire une pression sur un système et ramener le pouvoir en un an où peut-être celui qui va venir pourra faire pire que Ibeka. C'est un constat de général quand vous regardez en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, hein presque tous les partis politiques ou la démocratie post-conférence nationale, là, les partis politiques ont échoué. Seulement, ils s'accrochent ils au pouvoir, rien que pour des privilèges du pouvoir. Ils s'accrochent au pouvoir, pas pour le pays en tant que tel ou pour le peuple en tant que tel, mais pour les privilèges que le pouvoir peut leur offrir et leur famille, leur clan, ceci, cela. Donc, je pense que lui qui, visiblement, ne peut pas avoir de clan aujourd'hui ou d'intérêt particulier à préserver, il doit créer les conditions pour que l'objectif pour lequel le M5 s'est battu pour qu'il y ait un ordre démocratique normal, pour qu'il y ait une justice saine au Mali, pour qu'il y ait l'école, comme j'ai dit, pour qu'il y ait la lutte contre la corruption, je crois qu'elle va pouvoir créer les conditions pour qu'il le fasse. Surtout, les gens comptent beaucoup plus sur son esprit d'ancien militaire qui a une conscience citoyenne claire, différemment des civils, il faut le relever, et cela, je pense qu'il doit être à la hauteur, et nous pensons nous avons espéré que le contexte dans lequel euh, ils vont former le gouvernement va lui permettre, euh, avec l'accompagnement et le soutien de tous les Maliens, d'atteindre leurs objectifs.